parce que si la taxawone suñu en 2024, Ken en 2024, et il va marcher sur nos cadavres Si la wax on est toujours bien vivant l'opposition est toujours présente debout et c'est grâce au rapport de force imposé par le peuple et l'opposition que Maki a respecté la constitution et l'article 27 de la constitution nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs amul benen layam layam pour gëmloo sénégalais yi Maki n'avait pas droit à un troisième mandat grâce au rapport de force qui a été imposé par le peuple sénégalais il s'est conformé à la volonté populaire l'olmo am donc yen Yakarnani, Nani, euh, président indi won fi article 87 tartufferie bu may dégg de la part du groupe Benno Bokk Yakar parce que a ñëpp a demoon dajaloo surtout les maires dam Makisal Macky Sall troisième mandat et il a vu que vous allez le pousser vers le chaos mu oh, ils vont plonger le pays dans l'abîme motax mu indi ñu fi article 87 parce que Woluwulen il n'a aucune confiance en vous je vais dissoudre cette assemblée nationale là donc le problème est en vous moi, par rapport à ce projet de loi euh, qu'on nous a soumis la révision constitutionnelle pour moi, effectivement la montagne a accouché d'une souris on attendait beaucoup plus de ce dialogue national là effectivement mesdames, ils en ont le droit c'est leur position mais nous, également ils en ont le droit et ils assument leur position parce que c'est ça la démocratie n'est pas la volonté de Macky Sall moo dicté en termes de démocratie c'est la constitution et la souveraineté appartient au peuple on est des partis politiques légalement constitués et on s'est réunis en toute responsabilité pour notre part Pastef comment vous pouvez séquestrer notre président illégalement détenir notre secrétaire général enfermer plus de 700 de nos militants et responsables de qui vous vous moquez c'est de la tarpiferie, c'est de l'hypocrisie. Arrêtez vos discours enchanteurs, personne ne vous croit. Ça suffit. Par vos euh, discours enchanteurs, vous avez poussé Macky Sall Vous ne le ferez pas am candidat mënul sax comme candidat vous êtes dans l'impasse reconnaissez-le c'est ça la vérité vraiment vous êtes lamentable arrêtez monsieur le ministre lu du euh, projet de loi constitutionnelle effectivement on a noté un certain nombre d'insuffisances notamment par rapport au conseil constitutionnel en cas de décès d'un candidat il doit reporter les élections à une nouvelle date alors qu'il n'y a aucune période qui lui est fixée alors qu'on voit en droit électoral chaque fois les différentes autorités sont enfermées dans des délais je pense qu'au moins un délai de trois mois doit être fixé au conseil constitutionnel L'année nous également le fait qu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat lors de violer la liberté de candidature et ça viole le secret du vote qui est euh, euh, qui est imposé par l'article 4 de la Constitution donc secret du vote pour nous respecter comme l'a dit la décision de la Cour de justice de la CEDEAO il faudrait qu'on permette à un électeur de parrainer plus d'un candidat au moins deux candidats fu Moini, euh, le cas de président Brum sur Diop il a été libéré on s'en félicite et cette libération n'est que la conséquence du respect de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de l'article 61 de la Constitution. Si les textes sont respectés, on applaudit des deux mains. Mais il ne s'agit pas d'ignorer du Sarahou, d'ignorer du Nyanatou. On a juste respecté les droits de notre collègue que ku mu daloon fii ci assemblée nationale bi ñëpp ñëpp ñoo ci bokk yem je vous remercie